asalaamaaleykum mbokk yi kon euh, ñoo ngi fii nga xamanteni mom moy ci euh, commune bi nga xamanteni moy commune bu Fimla commune bu Fimla nak ki nga xamne moy mooy euh, ji di Karim Sen mom lañu togal monsieur Sen, di député maire de Fimla ku jamono juñ tolni avec saison hivernage bi nga xamanteni hivernage bi nga xamanteni mi ngi annoncé wu yeen ci walu mbay est-ce que ici il y a de grands producteurs donc fils, saison. zone maa ngi leen di nuyu d'abord di leen di remercier. fii c'est une zone euh, boo xamante ne nii euh, surtout bassin arachidien mun na leen dara ah fii on cultive de de l'arachide dañuy bay euh, dugub di bay gerte di béy mboq mais gerte gi ak dugub bu ma ci ëpp te wax dëgg dañ koy am en grande quantité waaw boo xoolee tey Fimela bi ma nekk tey ñaari sako ñoo fi am. y a un point de vente point de distribution Fifim Sambadia. la c'est la seule commune qui a deux points de vente Palmarin am na Seko Diofior non. Djilas non. Euh, Loul non parce que l'arrondissement, arrondissement y euh, a cinq communes avec une population pratiquement de cent 000, mille trente cent habitants arrondissement voilà la superficie globale de Fimla, rek commune Fimla, on est à trois cent à à 399 km donc c'est une grande superficie voilà euh, on a aussi euh, ceux qui sont Fimla, commune Fimla par exemple particulièrement, on a 16 villages mais on a trois villages qui sont là-bas. île yi Marlotte, bokk et Mar Il faut aussi avoir une superficie cultivable ay am dañ koy donc euh, nawet bi aussi alhamdulilah vraiment nawet bi ni mu déparé ren neex na parce que amul amul amul sécheresse da fay taw rek euh, di continuer pratiquement da nga don gis mu taw ba euh, ñu dem ay jamono nga gis béykat yi wala paar yi def ay sarax pour ndox ñëwaat mais lolu amul ren kon am na ne ren nawet bi ñu am nawet bi mun nawet bu muccu ayib la nara don doon ren Euh, ci walu tourisme ou ci wàllu tourisme aussi gis nañ ni fii am même su fekkee ce n'est pas de très très grands hôtels mais quand même euh, amna ay euh, endroit yu bari yo xamné nit ñi dañ fay ñëw mais dañu laaj ay borom hôtel ñu ne ñu lu ci ëpp ay sénégalais la wala mook maanaam daal tourisme bi des na li nga xamné moy promotion bi fi afim la non ñu ci bari c'est comme partout légui ma tourisme bi bu njëkk doxoon na même ren sax peut-être ren xaw na wàññeeku depuis alternance bi moom xaw ko di la vérité tourisme bi xaw na wàññeeku xamuñu nag lu ko indi mais euh, fii euh, boo demoon ci hôtel yi euh, tubaab yi jóge bitim réew France Angleterre ak fu ne dañ fi ñëw mais ren tourisme tourisme demewul noonu il y a 6 mois de cela 6 mois mun wax ne mois à partir de peut être aussi aussi mi bruit yi am histoire yeeg tout ça aussi dafa impacter parce que aussi tout tubaab bi bëgg dëkk bu am jàmm dañoo bëgg paix jàmm parce que Sénégal ci jàmm lañ ko xam bon peut être na indi peut être résistance parce que booy dem ci dëkk aussi da ngay bëgg dem dina ou bien du am bruit du am coow du am voilà donc moo tax dal bi dal bi kilifa yi di ñaan Sénégal moom lañ ñaan mu am parce que bu ko defee rek day impacter positivement bu su réew mi dalee day impacter positivement ci population bi donc xëy na loolu moo xaw a freiner tuuti euh, tourisme bi mais terewul campement yeeg kii ñu ngi am lu ñu jot a am ñu ngi am euh, ay sénégalais parce que sénégalais aussi ñeme nañ génn génn. dem xooli sen terroir parce que tazam amna ño xamné tay xam des fois bu ñëwé fim la dañu naan ñoo xamuñ woon ne Sénégal amna zone bu melni ah, ñu ñëw ci benen plan rek ñu jéxalé lolu muy manam ah, xamnañ né vous êtes maire de fim la mais en même temps vous êtes député euh, à l'Assemblée nationale euh, donc euh, question bi ma la bëggoon laaj rek moy la question de déclaration de politique générale ça a fait couler beaucoup de salive donc euh, ban jangal nga ci def te ba tay ci lay mais dégg nañ ne daje ngeen ngir manam modifier yenn articles yek yu mel noonu est-ce que xalaat ngén né bala mo yag donc mbir moomu dina sotti. Wa bon en fait déclaration politique générale euh, lolu c'est dans la constitution c'est pas dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que dañuy wax ne paragraphe ñu né dama na ñuy wax lo xamanténi je pense que duñ koy maîtriser déclaration de politique générale Lolo, c'est constitution bi article 37 euh, Moko, ko moko, moom donc tout premier ministre il fallait la fallait, hein, war nga devant l'Assemblée, l' sa politique générale ne ni ak ni la bëgg C'est ce que nous lii suñu ce de route Lolo, franchement aajuwul ngay naan nañ def réglement intérieur bi nangam nangam bon euh, euh, euh, règlement intérieur bu amee ay modification ça ne date pas loolu yàgg nañ ko programmer depuis ne am na ay modification ak ratification yoo xam ne war nañ ko indi ci réglement intérieur bi mais loolu du lu ñuy mbuboo ci parce ci ay déclaration de politique générale bokkuñu sax parce que constitution règlement constitution li muy wax ak ak règlement assemblée nationale bokkul ah. bokkul bokkul bokkul te ça aussi man damay gis nit yi di ko wax parce que damay bañ su ñu dem ci euh, euh, déclaration wala ñuy dem voté ay loi ci réglement intérieur u bu ñu war a modifier ñuy naan lii la ñuy xaar pour def lii ma je suis totalement contre ci loolu loolu am amul benn liaison pour quelqu'un qui est prêt pour un parti programme wax dëgg yàlla bokkuñu da nga war a ñëw wax sa politique générale ne li ak li la na ma def li ak lii mooy sama projet li ak lii lañ war a def lolo, lolo, lolo, ku pare am lolo parce que depuis que le Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba tey képp ku ñu fal premier ministre da nga koy ñëw def voilà je ne vois pas nag l'exception ci nangam nangam wala Lolo, loolu France, franchement bon euh, c'est pas parce que je suis dans l'opposition ma tax ma wax mais je dis la vérité dëgg lay wax amul benn rapport politique générale hein, déclaration politique générale da nga ñëw député nous nous la question Diana, point barre hein, parce que nous ne sommes pour ay pour bloquer institutions. non peut-être nous, nous, parce que je dis la vérité nous, à leur niveau Nous nañ parce que nous sommes à Nous Nous déclaration de politique générale nous ñu une motion de censure nous avons bugg dans euh, gouvernement euh, yooyu yëpp c'est pas important ce que nous ce que nous intéresse mooy état bi naka la ñuy def ba réew mi am jàmm naka la ñuy def ba institution yi dox naka la def ba ñi war a salaire bu heure sa salaire jot naka la def ba aussi que le Sénégal soit un pays bancable nga xam ne nit ñi ñeme nañ pour dugal sen alal wala ñongal sen alal loolu mooy li nga xam ne moom la ñëpp war a ñaan kenn du ñaan nguur nekk au nga ko ñaanal mu daanu. du dëgg voilà mu mu mu mu mu nax saay parce que réew mi su amee jam ñun ñëpp ñoo am jàmm mais nag aussi euh, chacun ñun euh, chacun à le droit bu dëgg jotee nga wax ko parce que fii ñun ay sénégalais lañ kenn ñu réew mi kenn moomu ko ah ci Senghor la jógee ñëw ci Abdou Diouf ah dem ci Ablaye Wade ñëw ci Macky Sall dem ci Bassirou Diomaye dina demaat ci keneen c'est ça la vérité.

ndax wàññi la du dëgg ah xam nañu bu fekkee ni wàññi nañ dund wàññi nañ mburu wàññi wa tax da ngaa wàññi kilo kilo mburu bi wala da ngaa wàññi mburu ñi ci xam nañ franchement ñun Macky Sall bi mu jëlee pouvoir ah bi mu wàññee ñu ci sentir nañ wàññi mais wàññi bi ñuy wax nii moom franchement man ci sentiru ma ne am na wàññi bu fi am non il faut dire les choses telles que ça se passe ah mais ñu ngi leen di yéene nag ñu fexe aussi ah gën ko wañi bu dee wàññi nañ nañu wàññiwaat walla ñu fexe ba aussi ba franchement li nga xam ne moom lañ tegoon ne moom lañ bëgg a def ak loolu lañ nama def nañ nañu ko woon du dëgg ndax réew kat boo fexe ba jot ko ah boo campagne wala nga def say manière ba jot ko wanal nit ñi ne lii moo taxoon ma jot sama programme lii la ñun bu jël réew en 2012 dañoo amoon le plan Sénégal émergent mu ñu tudde ko yoonu yokkute ci olof ah te le Macky Sall jël na réew mi d'un point A yóbbu ko à un point euh, Z ah franchement ñi xam nañ ne changement am am na ah d'ailleurs sax soo wax ñu bilan matériel ne kenn du wax mais il a fait un bilan matériel ça c'est un bilan déjà man fii 2009 laa gagné fii nekk dans l'opposition Macky Sall dafa am problème ak Ablaye Wade novembre 2008 décembre janvier février mars ma gagné fii nekk président communauté mang maa ngi sama ñetteelu mandat fi mairie bi su ku fi ñew duma xol fo bok man njaaxaan naa la parce que je suis le maire de toute la commune li ma lay def nit la remplacer ala kuli aline keneen dina ma mos remplacer loolu mom gemna ko te loolu lay dund je ne suis pas aussi duma maire un maire fantôme aussi masuma sama njobot masul nek Dakar laa jël kula neex sama njobot ñi ñi ma mës a xam xam nañ lolu sama njobot masul nek Dakar ma femme est là ma famille est là te depuis 2013 lañ ma nommé conseil économique ma logé Dakar su amul plénière ma ngi fi comme ni may def assemblée je suis secrétaire élu à l'assemblée membre du bureau mais bu plénière amul ma wala marathon budgétaire nga xam ne 42 jours yi nga xam ne mooy métti la ma waa fim laa di pour nga gis moo nekk problème mais bu jàllee su ma amul foofu réunion aw ma fa plénière aw ma fa leneen maa ngi fii sama commune di liggéey di ñaandoog nit ñi di saafanteeg nit ñi xam ci li ñuy yeewoo xam seen jafe-jafe xam naka laay war a doxale dénkaane bu ñu ma jox lay sàmm di leen di ko samal population bi daanu nag dajul suuf loo def def donc monsieur Karim vous êtes euh, député maire de euh, de voilà, donc euh, la question que je voulais vous poser, c'est plutôt une question de au niveau national. Euh, par rapport à la déclaration de la politique générale qui a fait couler beaucoup de salive au sein du Parlement. Donc, euh, quel est votre point de vue Et ensuite, si vous pouvez acheter aussi les 100 jours de Diomaye, votre point de vue Bon, franchement, je ne voulais même pas parler de cette déclaration de politique générale. Mais comme vous m'avez posé la question, je suis obligé d'en parler. Et je vois euh, à mon niveau que la déclaration de politique générale, c'est dans la constitution de notre pays. Ça n'a rien à voir avec le règlement intérieur de l'Assemblée. Le règlement intérieur de l'Assemblée a des modifications. Ça ne date pas, euh, c'est pas parce que euh, le Premier ministre l'a dit. Non, ça a été déjà un souci des députés, du président de l'Assemblée et d'autres personnes qu'on devait statuer sur le règlement intérieur. Maintenant, ce que je ne peux pas accepter pour se couvrir de ce règlement intérieur et nier que c'est la Constitution qui demande à ce que chaque Premier ministre, une fois qu'il est élu, on lui donne un temps pour qu'il puisse venir faire face avec les députés de l'Assemblée pour faire sa déclaration de politique générale. Ça, quand même, c'est quelque chose qui est là depuis euh, l'indépendance à nos jours. Maintenant, s'il y a une exception sur Ousmane Sonko qui dit que il va falloir qu'on révise euh, euh, le règlement intérieur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a statué maintenant sur le règlement intérieur, mais ce n'est pas à cause de... parce que euh, on doit, il doit venir pour faire une déclaration de police générale qu'on statue sur le règlement. doit faire une déclaration, pour dire qu'il a toujours des manquements. Oui, ces manquements n'est pas, pas lié à la déclaration de politique générale. La déclaration de, de, la, de politique générale, c'est la constitution du Sénégal qui le demande. C'est différent. C'est différent. Aïb Dafé, c'est un collègue député, c'est vrai, oui. Euh, c'est un ami, il est bien. Moi, je le respecte beaucoup. Mais c'est différent. Quand on a fait la déclaration de politique générale avec Amadouba, hein, Aussitôt, ils ont, ils ont déclaré une motion de censure. Peut-être pensent que, comme on est majoritaire à l'Assemblée, que, oui, si le Premier ministre vient, s'il fait sa déclaration de positionnement, on, nous allons penser à faire une motion de censure pour faire dissoudre le gouvernement. Cela ne nous intéresse pas. Nous, on est des républicains. On a été fermés par un, président qui est serein, à l'occurrence Macky Sall, qui ne bloque rien qui est là pour également que la paix continue dans ce pays. Et c'est pour cette raison, hein, à la veille des élections, à une semaine ou bien à 15 jours des élections, il a fait en sorte que, Tsonko, que Djoma et autres soient amnistiés. Ça, tout simplement, c'est pour que... Parce qu'il a dit, je ne veux pas laisser le pays hein, hein, en fait, dans des problèmes ou des choses comme ça. Alors, il faut saluer cet acte de grandeur que le président de la République a fait. Voilà. Les 100 jours, je pense que nous tous, nous avons vu. Hein? Si, c'est bon, euh, vous le constatez de vous-même. Il y a des, euh, euh, les arts crient partout. On n'a pas de satisfaction. On n'a pas vu de changement. On n'a pas vu de changement. Parce qu'il y a... Pour, arriver à un changement, il, faut d'abord mettre ta feuille de route. On n'a pas vu de feuille de route parce qu'il n'y a pas de déclaration de politique générale. Quel est le changement hein? Alors, ils, avaient un programme. Pour ils ont un programme. Hein? Ils ont un projet. Alors, s'ils ont un projet, le projet est mal vu par les Sénégalais. Parce que le projet, c'est dans la langue, mais ce n'est pas dans, les relations. Même en, parlant des directions et de tout ça, ils avaient parlé d'appel d'offres, de tout, comme ça. On n'a pas vu d'appel d'offres la rupture qu'ils ont, le, projet qu'ils ont vendu aux Sénégalais est différent de ce qui, ceux qui sont en train de dérouler. C'est le PSC e qui continue. C'est la feuille de route du président Macky Sall qui continue. Les directions, il n'y a pas de changement. Toutes les directions qui ont été créées par le régime de Ouad et par le régime de Macky Sall, ces mêmes directions sont là. Il n'y a pas de changement. Hein? Et même en, matière de, ministre, ministres, ils, avaient dit qu'ils ne devaient pas dépasser 15 ministres. Ils sont à 25 ministres et combien de secrétaires d'État Alors, où est le changement Où est le changement Où est le produit qu'ils ont vendu au Sénégal Moi, je ne l'ai pas vu pratiquement. En toute vérité, je, je ne dis que la vérité. Mais ce qui nous intéresse est que le Sénégal soit calme. Qu'il y ait une paix durable dans ce pays le pays que Senghor nous a légué, qui se sont battus pour que le Sénégal soit un pays indépendant, qui a fait 20 ans, ensuite il a donné à Abdouf qui a fait 20 ans, à qui est le père de la démocratie, qui a créé, qui a installé une démocratie, qui a lutté pendant 26 ans pour arriver au pouvoir. Et il avait dit que je n'accéderai jamais euh, euh, à la magistrature suprême en marchant sur des cadavres. C'est un homme que nous devons saluer, qui nous a formés politiquement. Moi, j'ai été formé par, le, par qui m'a appris la politique. Et c'est pourquoi j'ai son comportement. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est calme, qui est correct. Et je le remercie de passage. Justement, en parlant de actuellement, la confusion. On entend Ali et qui se jettent des oui, mais en fait, euh, chacun est libre de, de, parler de son opinion. L'APR, c'est un grand parti. C'est un grand parti. Euh, on parle de Alusal, on parle de Mansour. Moi, j'ai reçu, la délégation de l'APR à Fimla. À Fimla. C'est moi qui les ai reçus. J'ai été en France. Alors, euh, on, était, on devait quand même il y avait, y avait, devait avoir quand une commune qui devait recevoir la délégation. Étant le député du département, je lui ai dit j'accepte de recevoir la délégation. Et c'est ça le problème. Voilà. Donc, euh, euh, euh, nous, on a un seul leader, c'est le président Macky Sall. Et nous l'attendons. Hein. Avec... Non, en fait, ça c'est entre, entre et Mansour. Moi, ça ne concerne pas le parti, c'est entre les deux. Ça, ça ne nous concerne pas. Ah, Aliou Sall, c'est un ami à moi. Mansour aussi, Mansour aussi, c'est un ami à moi. Moi, mon leader, c'est Macky Sall. Je n'ai qu'un seul leader, c'est Macky Sall. Amadouba, euh, jusqu'à l'heure où je vous parle, euh, est-ce que vous l'avez euh, entendu prononcer, se prononcer hein? Oui, mais il a le droit de partir à Touba. Amadouba, c'est une personnalité. Il a le droit de partir à Touba. <laughs> il, a, il a le droit. Touba, c'est pour tout le monde. Il a le droit de partir pour, pour demander des prières. Vous comprenez Mais moi, je ne suis pas un... Amadouba n'est pas mon leader. C'est Macky qui est mon leader. Et c'est Macky qui, qui avait choisi Amadouba comme candidat. Hein et jusqu'à la preuve du contraire, vous n'avez pas entendu Macky Sall dire oui, euh, Amadouba ceci, et vous n'avez pas entendu aussi Amadouba parler de, de Macky Les deux. Hein? Donc, euh, laissons l'avenir juger. Il ne faut pas que les gens se focalisent sur des trucs qui n'existent pas. Macky Sall est là, c'est lui le président de l'APR, c'est lui qui a créé son parti, et c'est lui qui reste le, président du parti. Point barre voilà euh, jërëjëf mbokk yi. Karim Sen, di député euh, en même temps maire de Fimla, euh, dengen Kadim kàddu yu mu fësal def nañu tour d'horizon ci wàllu politique ci wàllu avancée de la maire bi yëkkati na ci ay kàddu di leen gërëm di leen di leen jox rendez-vous Benen yoon ak Benen maire ak yeneen i maire ngir maanaam mu gën a yaatu jërë jëf.